on craint une épidémie de choléra. C'est ça notre problème dans le département. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, que ça va entraîner toutes sortes d'immondices et ensuite on risque d'avoir des épidémies après. Donc s'il y a le choléra, on a des problèmes. L'eau coule de Junju jusqu'à ici. C'est sûr parce que les gens qui défèquent à l'air libre, quand l'eau coule, ça entraîne les fesses, vous voyez, à côté là. Là où ils prennent de l'eau là, les bourcaquets. Les vibrions cholériques n'avaient jusqu'à bourcaquets. Les gens consomment. Ces gens-là ne comprennent pas. Combo. On les a fait des forages. Hein. Ils refusais de prendre. Quand vous suivez le fleuve jusqu'à Dolé, tous les riverains la prennent lors du fleuve.